auditrices et auditeurs du studio Kalangu, bienvenue dans votre émission de la mi-journée Le Niger sur Kalangu. Pour vous servir aujourd'hui, je suis Rukhet Draman avec moi Habiba Ahmed. L'édition est assurée par Moussa Hassan et la technique par Seyni Isaka. Bonjour Habiba, comment ça va Très bien Rukaya. Le programme d'aujourd'hui se déroulera comme suit un flèche d'information de la musique 100% nigérienne, sans oublier le sport, la rubrique hebdomadaire. Nous aurons également la rubrique Loti préparée Préparé par l'équipe femme du studio Kalango. Notre invitée du jour est Madame Foussam Mamman Hassan. Elle est la fondatrice de l'entreprise Foussam, spécialisée dans la transformation agroalimentaire. Chers auditeurs, voici les flèches d'information avec Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour Abiba, bonjour Ruki. Bonjour Abiba. Alors nous allons débuter ce flash avec une note nécrologique. Le Niger est en deuil avec la disparition cette nuit à Niamey de Hama Amadou, leader politique, ancien Premier ministre et président de l'Assemblée nationale suite à une courte maladie à l'âge de 74 ans. L'autorité morale de son parti Lumana, Hama Amadou était le principal opposant du régime de la Renaissance renversé le 26 juillet 2023, ayant gravi tous les échelons de l'administration il avait occupé les postes de sous-préfet, de directeur de cabinet à la présidence de DG de l'ORTN, deux ministres avant son couronnement comme premier ministre en 1995 pour la première fois. Il avait surtout marqué la Ve République où il occupa ce poste de sept ans durant sous sept ans durant sous le mandat du président Tanja. Il avait été de tous les combats de la conférence nationale à l'avènement du Front de restauration de la démocratie en 1996 et pendant la période de Tazartier en 2007. Élu plusieurs fois député, il fut président de l'institution parlementaire avant son éviction après le retrait de son parti de la majorité présidentielle en 2013 dont il avait contribué à son événement au pouvoir en 2011. La filiale nigérienne du groupe français Orano, acteur majeur de l'exploitation de l'uranium, se voit contrainte de suspendre ses activités à partir du 31 octobre 2024. Cette décision fait suite à une situation fortement dégradée qui paralyse l'exportation du concentré d'uranium produit sur son site d'Arlit. Près de 1050 tonnes de concentré d'uranium produites depuis 2023 sont actuellement bloquées sur le site d'Arlit dans le nord du Niger en raison de la fermeture des frontières avec le Bénin, rendant l'exploitation impossible et privant l'entreprise de près de 300 millions d'euros de revenus. Un conseil d'administration extraordinaire de la Société des mines de l'Aïr devrait acter formellement la suspension dans les prochains jours. Par ailleurs, le gouvernement du Niger, à l'issue d'un conseil de ministres, a procédé à la désignation et à la nomination d'un nouveau président du conseil d'administration de la Cominac à la personne de l'activiste Mustafa Al-Hassan. Deux mois après cette décision du gouvernement, la Cominac, à l'issue d'un conseil d'administration extraordinaire, ont rejeté cette nomination. La semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information débute aujourd'hui 24 octobre et sera célébrée jusqu'au 31 octobre 2024 sous le thème Les nouvelles frontières numériques de l'information, l'éducation aux médias et à l'information pour l'information d'intérêt public. Le thème de cette année veut souligner l'importance pour les individus de développer un esprit critique afin de mieux naviguer l'écosystème numérique d'aujourd'hui. Les plateformes numériques en, cet effet révolutionner la manière dont l'information est créée, consommée et partagée, ce qui pose de nouveaux défis par rapport à notre capacité de discerner un contenu fiable. L'émergence de l'intelligence artificielle générative brouille encore les frontières entre les contenus produits par l'homme et ceux générés par l'intelligence artificielle, ce qui exige de nouvelles compétences et une pensée critique affûtée. Il s'agit ainsi d'un montant charnière pour le futur de l'information où les individus sont appelés à façonner les, les espaces numériques qu'ils habitent et contribuer à un écosystème de l'information plus inclusif et plus résilient. Et voilà pour le flash de ce matin. Merci Rafika pour ces informations et passe une excellente journée. Merci Chers auditeurs, pour rappel, notre invitée du jour est spécialiste en transformation agroalimentaire. Elle s'appelle Madame Foussam Mamman Hassan. Bonjour Madame. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Le Niger sur Merci bien. Avant d'entamer nos discussions, nous allons souffler en musique avec la troupe culturelle de filles des de de al albichir Bachir est l'un des mythiques groupes qui a fait résonner le nom de Kirozérine en dehors de la Sonichar ou de la des frontières. Elle chante la fierté, la liberté, la cohésion, l'amour, la fraternité, mais al est aussi la voix des sans-voix via le titre qui plaide pour l'accès à l'eau pour les femmes des zones rurales et tant d'autres difficultés que vivent les Nigériens loin des villes. J'aimerais aussi vous parler de l'impact qu'ont le son de al au niveau de différentes couches sociales. Il y a pour tout un chacun son rythme qui le fait vibrer du petit au grand, du jeune au vieux et à chacun son message en fonction des réalités de la vie. C'est vrai que cette troupe est une école tout simplement des Nigériens pour qui elle œuvre le jour au jour à travers le soutien de la Société du charbon du Morarin. Voilà, vous êtes en direct raison de nos radios partenaires euh, sur l'émission Le Niger sur Kalangou. Fidèles auditeurs, il est l'heure de retrouver notre invité du jour. Madame Foussam, euh, faites-nous une brève présentation de votre entreprise. D'accord, merci bien. Euh, je suis Foussam Maman. je suis la promotrice de Foussam Enterprise. Foussam Enterprise, c'est une entreprise individuelle spécialisée dans la transformation des épices, de tisanes et de tomates locales notre mission, c'est de promouvoir une alimentation naturelle et saine, tout en valorisant les produits locaux et en sensibilisant la population à l'importance d'un changement de comportement alimentaire. Nous transformons des matières premières locales pour produire des produits en ces dérivés bénéfiques pour la santé, tels que les tisanes, les épices et surtout la tomate qu'on transforme en mhm. ketchup et plusieurs dérivés. Mhm. Donc, euh, on contribue aussi au développement de, l'économie locale. Mhm. Alors, comment vous avez eu l'idée d'entreprendre dans la transformation des aliments Alors, <laughs> là, c'est une question vraiment qui mérite une réponse en tant que telle. Donc, euh, je suis gestionnaire de formation. J'ai une expérience de 17 ans dans le monde de la microfinance où j'ai eu à sensibiliser, à former les femmes rurales, plus de 4000 femmes rurales à travers une institution de microfinance. Et il se trouve qu'en euh, 2018, cette institution euh, était mise sous administration provisoire. Du coup, euh, il faut penser à un plan B. Et antérieurement, depuis l'enfance, je suis quelqu'un qui, qui aime les petites activités génératives de revenus. Donc, depuis le page collège, je faisais mes petites activités de vente et tout. Donc c'est une passion. Voilà, c'est une passion, on peut le dire. Et maintenant, euh, il y a un constat qui est là. Donc, en observant les besoins croissants de notre société euh, en matière de santé et d'alimentation saine, j'ai constaté beaucoup de nos produits locaux comme euh, les épices et les plantes médicinales étaient sous-exploités. Alors là, je me suis dit, je vais m'engager, je vais me former par rapport à ce fait et ce qui fut fait et les résultats sont là. Ah, c'est une bonne initiative. madame, quels sont les aliments que vous transformez le plus euh, Les aliments que je transforme le plus, c'est les tisanes. Mhm. C'est les tisanes, surtout la tisane, de nos jours, c'est la tisane de Doum. Voilà. Doum, c'est Kango en oui, Gourib en Hausa. Mhm, mhm. Donc, je fais la tisane de Doum, de par ses vertus. Euh, antérieurement, par exemple, en 2021, c'était la tisane d'ail qui était mon produit phare. J'ai eu un prix de l'ambassade des États-Unis parce que j'ai eu le premier prix de chaque temps qu'ils ont organisé à cet effet. Maintenant, je fais, je, je, je me faisant, il faut évoluer, voilà. Et j'ai découvert ce produit, le Doom aussi avec ses vertus, et on l'a transformé et de, de par les résultats, vraiment, alhamdulillah. Et quelles sont ces vertus-là Alors, les vertus du du, de, c'est. En fait, ça a plusieurs vitamines. Plus précisément, le vitamine, la vitamine C, la vitamine A. Ceux-là qui ont des problèmes de sommeil, en prenant la tisane le soir, vous allez facilement trouver le sommeil. Ça règle le problème de digestion. Ceux qui ont les problèmes de colopathie, le ballonnement et tout ce qui s'ensuit, c'est un produit vraiment idéal pour ces personnes. Et j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ce produit. Donc, je ne peux qu'encourager ceux-là qui souffrent de ces mal d'essayer et vont voir les résultats. Mhm. Est-ce que vous avez suivi une formation dans les domaines Ah oui, je suis allumée de plusieurs programmes d'accélération et de formation. Par exemple, je suis la première promotion de Chi Equity de l'Afrique de l'Ouest. On, n'a pris que deux Nigériennes qu'on a formées à cet effet. Euh, je suis aussi là, en 2022 en 2022 encore, je fais partie des alumni du programme Wawa de Woman Empower, où on a eu une formation de six mois sur tous les aspects liés à, la forme, à, l'agroalimentaire, les normes de qualité, comment aussi préparer les produits et tout. En dehors de ça, a le programme CPLA aussi, je suis alumni du programme. En dehors de ça, j'ai suivi une formation aussi à Tunis. Mhm. Voilà. Mhm. Vous avez parlé aussi de la tomate. Comment vous faites pour transformer la tomate C'est la tomate en poudre ou je ne sais pas Alors, pour le moment, on a la tomate pelée, on a la tomate sauce, surtout pour les fonctionnaires qui partent au bureau. Donc, il y a un manque de temps. Aussitôt à la maison, le temps que vous préparez, on allège en fait la tâche. Donc, on fait des sauces pré donc, dès que vous l'utilisez, en 5 minutes, vous avez n'importe quel de plat que vous voulez faire avec la tomate sauce. Et aussi, euh, maintenant, le dernier produit qu'on a innové, c'est le ketchup. Mhm. Ketchup made in Niger. Mhm. Là, euh, on a eu le go du laboratoire parce que quand on fait un produit, il va falloir l'amener au labo, l'analyser et maintenant c'est quand vous avez le retour positif que vous pouvez le commercialiser. Actuellement, on a le gros pour la combinaison de ketchup. Mm vous allez voir ça dans les alimentations. Et parmi tous ces aliments que vous avez cités, euh, lequel est le plus prisé C'est ça, je vous dis, ça dépend. Par exemple, la, la, la tisane d'ail. Ça, c'est vraiment mon produit phare. Parce que même les enfants qui souffrent de problèmes de rhume en utilisent. Les hypertendus, les diabétiques, en tout cas, c'est un produit vraiment prisé. J'ai eu un témoignage d'un médecin qui est même docteur. Mhm. Et je profite pour le dire, docteur Sani, qui avait des problèmes de santé, d'enflement de pied et tout. C'est un médecin. Et là, il a utilisé une fois la tisane qu'il a achetée à la foire. Et depuis, il a abonné, ça fait plus d'un an. Chaque jour, il prend une tisane d'ail. Mhm. Même en voyageant, il fait sa commande pour qu'il ne puisse pas rater la prise de la tisane. Et mhm. je le remercie pour ça. Machallah avant de poursuivre cet entretien, nous allons encore écouter une musique. D'accord. Chers auditeurs, voici pour vous les titres Jikan Aya de l'artiste Ali Jibou. mata samari ku tashi mu rawar boto wai shi kan ya ayya shi kan ya ayya suna shi kan ya ayya shi kan ya ayya bodo da amina shi kan ya ayya bodo da amina shi kan ya ayya kodo ya wuce amina tana kuka ai bari kuka amina ba ya ne ba bari kuka amina bodo zai dawo bari kuka amina shi kanya ayya bodo na amina shi kanya ayya dan bodo ya wuce amina take kuka bari kuka amina bodo zai dawo bari kuka amina koɗo ba komo uba na kidi ɗiya na mishi goho uba na kidi ɗiya na mishi goho ba goho ba ne ya wace ta yi ba goho ba ne ya wace ta yi ba goho ba ne ya wace ta yi ba goho ba ne ya wace haba Ali Jibo est né le 9 mars 1949 à Birninkoni, dans la région de Tawa. Ali rejoint son premier groupe musical, l'Amicale de Niamey, en 1972, quelques années euh, plus tard, après avoir euh, terminé ses études secondaires. Deux ans plus tard, pendant les vacances d'été de 1974, un groupe d'étudiants de l'école normale de Zander forme les ambassadeurs du Sahel. Ali Jibo était le chanteur et compositeur les plus doués du groupe. Les ambassadeurs se séparent en 1976 et Ali Joubo fonda l'orchestre Caravane. Cet artiste nous a quittés en 2007. Dans cette chanson, il nous parle d'une fille qui a la nostalgie de son âme sœur qui est en, en déplacement tout en désespérant son retour dans tout en espérant son retour dans un bref délai. ba goho ba ne iyawa ce sai mu kai haba samarin sahel ga rawa ga juyi kamar sarauta Allah. To, haba. Wai tadani mai gidana ya zo. Kin san da mai gidan kika bani, bar in haukin mai gidan ya kashe ni. Dan jiwa da gatari na goce, dan halbi da kibiya na noki. haba Allah ya kau da ɓacin rana ko rana ta ɓaci mun isa barka mu da manya kunya tom ba mu ta baya yarinya ba mu ta baya kyamun kai ba mu ta baya yarinya ba mu ta baya ki ba mu sha kai ba mu ta baya yarinya ba mu ta baya haba kyamun haba kai ya kai kyamus kyamus gataro na ga sisi na a kaɗa mini kyamus kyamus dan tsoho ga mutuwa nan to ku gaya mata ban shirya ba haba <laughs> yarinya haba zazzaga zuntu na ce zazzaga zumfutu kaza zazzaga zumfutu wai kaza mi ji kama Allah da yayo miki zazzaga zumfutu ta afurki mai daɗin nama aha kanya ayya huba to kanya ayya wai shi jikanya ayya kanya ayya Bodo da amina jikanya ayya C'était le titre Jikanyan Aya de Ali Jibo. Fidèles auditeurs, retour au studio avec notre invité du jour pour la suite de nos échanges. Pour rappel, Madame Foussam Mamman Hassan est et fondatrice de l'entreprise Foussam qui évolue dans la transformation des aliments. Alors, madame, euh, est-ce que vous partagez votre savoir-faire avec d'autres personnes Bien sûr, parce que dans toute chose, moi je me dis, tant que tu te lances dans quelque chose, tu arrives à un certain niveau, tu ne prépares pas, tu ne pas la relève, si tu as échoué. Donc, du coup, moi, à travers les femmes que j'ai connues, qui étaient structurées en groupement, Actuellement, je travaille avec un groupement féminin de 15 femmes. Elles-mêmes, aujourd'hui, elles sont des soi-disant entrepreneurs parce qu'elles font chacune leur activité génératrice de revenus. Mhm. C'est les week-ends qu'on se regroupe pour faire la transformation au niveau de l'entreprise. Mais parallèlement, elles font leur AGR. Mhm. Et en dehors de ça, nous sommes toujours dans la sensibilisation parce que je suis membre de plusieurs associations, groupements, consortiums. En tout cas, euh, j'avais oublié de vous mentionner que je suis la présidente du club d'anglais des femmes entrepreneurs de Niamey. Mhm. Et parallèlement, je suis la vice-présidente de AWIP Niger, qui est une organisation patronale des femmes transformatrices du Niger. Donc, à travers ces, ces associations, on essaye de former les gens, de les sensibiliser. Et Alhamdulillah, ça commence à payer parce qu'on voit la relève et les femmes aussi qui essayent de se formaliser. Et moi, je pense que c'est une bonne chose. Ça reste encore, mais quand même, on est sur le chemin. Vous produisez à la demande, sinon comment arrivez-vous à écouler le stock Alors, je produis à la demande, oui, et je produis aussi pour mettre dans la boutique parce que ça m'a une boutique des produits locaux qui est à la cité chinoise. Donc, on produit on, met ça dans la boutique et on, on, a des produits aussi dans certains supermarchés de la place. Donc on ne peut pas dire que c'est sur commande, mais on reçoit aussi les commandes. Là, c'est des commandes spéciales. Mhm. Et quelles sont les difficultés auxquelles, euh, quelles sont les difficultés euh, que vous rencontrez dans votre travail Alors, les difficultés, ça ne manque pas et ça ne manquera pas parce que tout celui qui décide d'entreprendre, il doit se mettre en tête qu'il y a pas mal d'obstacles voilà, qui vont se, auxquels il fera face, mais il faut, il faut euh, savoir les surmonter et les dépasser pour pouvoir atteindre son objectif escompté. Hmm. Alors, euh, pour le moment, le problème avec la situation actuelle qu'on vit, puisqu'il faut être résilient dans la vie, il faut savoir s'adapter au contexte. Le seul problème qu'on vit actuellement, c'est le problème d'emballage, hmm. parce parce qu'on importe nos emballages et du coup, maintenant, avec la fermeture des frontières et tout ce qui suit comme problème de transport, on a vu les prix vraiment rehausser et du coup, on est obligé de gérer à notre manière. On n'a pas jusque-là augmenté les prix de nos produits, mais quand même, euh, le bénéfice est en baisse. Voilà. Mmh. Maintenant, ça, c'est le premier obstacle. Maintenant, en dehors de ça, en fait, il faut qu'il y ait un changement de comportement par rapport à la population, aux jeunes, surtout les jeunes que tu veux aider, ils mettent juste le cash, l'argent le, le, devant, alors que si tu veux euh, former un jeune, ils doivent savoir que en fait ça a un coût. Mhm. Ça a un coût. Tu vas voir, tu vas former un enfant, un jeune, et arriver là où il devrait prendre conscience et tout, c'est en ce moment qu'il abandonne. Mhm. Donc il va falloir encore chercher d'autres et ça c'est des problèmes parce que il faut préparer la relève, comme on l'a dit. Et maintenant, les jeunes, il faut vraiment les sensibiliser pour savoir que ce n'est pas du tout cuit. Mhm. Donc, on a, on a des problèmes avec les, le personnel. Maintenant, en dehors de ça aussi, euh, moi, j'expecte mes produits parce que le Nigérien, généralement, <laughs> je suis désolée et je m'excuse du terme, en fait, il sous-estime l'importance des produits locaux. Mm. Comme ils les voient comme ça, ils pensent que non, ça, ça n'a pas la qualité, ça n'a rien. ils préfèrent prendre les produits importés. Alors que de nos jours, aujourd'hui, quand vous faites la part des choses, nos produits sont plus naturels. Ça a plus d'inconvénients sur le plan santé que les produits importés. Mm. Donc, même sur les, quand vous partez dans les supermarchés, vous allez voir que nos produits sont mal positionnés au détriment des produits importés. Mm-hmm. Alors qu'il c'est à eux de promouvoir nos produits pour que les clients qui viennent sachent que c'est des produits qu'on devrait Aujourd'hui, on doit renverser un peu la tendance dans mhm. la consommation de nos produits. Donc, bon, bon on, continue puisqu'on est motivé, on s'est engagé dans ça, on sensibilise. Et avec les foires, la communication qui change, avec le nouveau système de communication, la digitalisation, tout ça, là, ça a un impact positif. Mais ce n'est pas arrivé, comme mhm. on le dit. Mhm. Vous avez tout à l'heure dit que vous exportez vos produits. Donc, vous avez plus de clientèle à l'étranger pas plus, pas plus. Moi, mes clients sont plus à l'intérieur du pays. Mais en fait, c'est le chiffre d'affaires qui est plus important à l'extérieur mhm. parce que les coûts diffèrent et puis bon, les opportunités ne sont pas les mêmes. Mhm. Voilà. Par exemple, mhm. moi, j'ai mes produits en France, euh, en Côte d'Ivoire. Et là, actuellement, on est en pour parler avec certains collaborateurs du Mali voilà, qui veulent que j'envoie mes, mes produits là-bas. Mais quand même, je suis dans toutes les régions du pays. Jusqu'à DIFA, j'ai des représentants. Je pense que, alhamdoulilah. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à dire euh, aux femmes et aux jeunes qui veulent vraiment s'intéresser à la transformation agroalimentaire Alors, le message que je à passer à l'endroit des jeunes d'abord, c'est de savoir que là, avec la situation actuelle du Niger, je pense que c'est l'opportunité aujourd'hui qui s'offre à nous. Parce que non seulement la matière première, avec les politiques qu'on est en train de mettre en place, ça favorise en tout cas l'accès facile à la matière première, d'où sa transformation. Donc aujourd'hui, à moins de coûts, tu peux entreprendre. J'ai un master 2, mais bon, c'est pas évident que j'ai un, travail. Mhm. Alors que quand tu entreprends, peu importe le montant, tu auras un gain à la fin. Donc il faut savoir en tout cas c'est de débrouiller dans la vie, comme on le dit. Et c'est un système, en fait, anglophone. Mhm. Moi, je pense qu'il faut que les jeunes s'y mettent dedans. Les femmes aussi, il faut être autonome dans les foyers. Mhm. Parce que de nos jours, la femme, quand tu croises les bras, les bras plutôt, tu vas avoir les conséquences immédiatement. Mhm. Donc, il faut s'y prendre pour pouvoir entreprendre à ta manière et avoir ton autonomisation. Mhm. Euh, merci Madame Foussam d'avoir répondu présent à notre invitation et passé une excellente journée. Merci à vous aussi. Fidèles auditeurs, on prend euh, cette petite pause et à tout de suite. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Bienvenue dans notre rubrique éducation numérique du jeudi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui inquiète beaucoup. C'est Internet à archives euh, qui a été piraté pour la troisième fois ce mois-ci. Pour nous en parler, voici Ousmane euh, Mahmoudou. Ousmane, que se passe-t-il exactement avec Internet à archives alors bonjour à tous. Donc euh, Internet Archive, c'est un service fondé le 10 mai 96. Donc c'est une euh, en fait organisation à but non lucratif connue pour sa bibliothèque numérique et son outil emblématique euh, que beaucoup de monde connaît, la Wayback Machine qui archive des milliards de pages web. Alors, on en parle aujourd'hui parce que c'est un outil qui est vraiment beaucoup utilisé par les journalistes, notamment dans des enquêtes pour archiver du contenu web. Alors, elle a pour mission de préserver Internet, euh, des milliards de pages d'Internet de toute la planète euh, euh, pour, pour, garder une trace en fait de ce qui s'est passé. Même si la personne a supprimé un poste qu'elle a fait, on peut l'archiver, que ce soit un site qui a changé, etc. etc. Alors après une série de cyberattaques, ce mois-ci, il y a eu une nouvelle qui a fait fuiter plus de 31 millions euh, qui a touché plus de 31 millions d'utilisateurs. Alors donc durant ce mois, le site a été victime de plusieurs attaques et la dernière, euh, euh, c'est la troisième attaque. Donc il y a eu trois attaques en moins, un mois pratiquement. De quand date la dernière attaque Alors je le disais tantôt, la dernière attaque date justement du samedi dernier et elle a permis aux pirates d'accéder au système de gestion de ce qu'on appelle les tickets de support d'Internet euh, Archive. Alors, les pirates ont pu exploiter ces jetons d'authentification-là, certains compromis depuis plusieurs années pour accéder à des milliers de tickets de support contenant potentiellement des données sensibles des utilisateurs. Mhm. Ousmane, j'aimerais bien savoir comment les pirates là ont-ils pu euh, accéder à cette plateforme et quelles sont les informations qu'ils ont obtenues. Alors, ces tickets de support incluent des informations variées, donc qui partent euh, de simples demandes techniques à des données personnelles. Par exemple, certains utilisateurs euh, demandent la suppression de contenus archivés par Wayback Machine. Alors, en accédant à ces tickets, les pirates ont pu obtenir des informations confidentielles, ce qui soulève des questions sur la sécurité des données des utilisateurs et sur la capacité même de l'organisation à protéger euh, ces infos, ces informations euh, souvent sensibles. Est-ce que ces piratages comportent des risques alors oui, il y a le risque des informations sensibles, je le disais tantôt, concernant la suppression de contenu soit utilisées à des fins malveillantes. Alors euh, imaginez que par exemple quelqu'un qui ait demandé la suppression d'un contenu pour des raisons de sécurité personnelle ou de confidentialité et que cette demande soit exposée. cela pourrait permettre compromettre euh, euh, la vie privée de la personne. Alors ce type de piratage affecte aussi la crédibilité même d'Internet euh, Archive. Cette organisation, je le rappelle, est perçue comme un pilier vraiment de la préservation du web, de l'intégrité du web. Et de telles attaques répétées montrent en fait euh, des faiblesses euh, dans leurs mesures de sécurité, ce qui peut diminuer la confiance du public envers leur capacité à protéger les données. Alors pour le moment, ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas une attaque qui a été commanditée par un État, par un gouvernement. C'est juste des gens qui se sont dit, allez, on peut y aller, on, peut pirater Internet Archive. Et puis l'ont piraté, euh, ils ont piraté le site. En tout cas, c'est les infos qu'on a. Et Ousmane, face à cette situation, est-ce que Internet Archive a pris des mesures concrètes pour, euh, bien sûr, renforcer la sécurité de ces systèmes Alors oui, heureusement, euh, Internet Archive a pris des mesures pour améliorer la sécurité. Ils ont indiqué euh, qu'ils travaillent à renforcer notamment la sécurité de leurs systèmes, notamment en réévaluant euh, la façon dont ils stockent et sécurisent les jetons là, dont on avait parlé, les jetons d'authentification. Ils ont également commencé à implémenter des mises à jour euh, pour corriger les vulnérabilités euh, identifiées jusqu'à présent et à relancer progressivement leurs services tout en améliorant la protection des données. Merci Ousmane, c'était très instructif. On espère qu'Internet Archive réussira à mieux protéger ses, ses utilisateurs à l'avenir. Rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle édition d'éducation numérique. À la semaine prochaine. <laughs> Chers auditeurs, un autre tour à musique pour savourer des rap avec les titres Amin de Azahil Abdul. MH Pro Studio. na baba inya ba mu da annabi Allah zai zaka. wata ta tahi wata ta zo ni ko yi rakon kiɗa mala shata na doko mata Ya kurmi uta in sama umma ta gida ta uta Duniya ba gida ba ce ba kowa so shi za shi barta Ta mu gama juna makwabta mu so juna sai mu bar adawa Nijar uwa ne uba ne, mu so juna sai mu bar adawa Mu taimaki 'yan ƙanana bar manya da yunwa mu taimaki 'yan ƙanana talaka sun shigo sashe huta yawa de son vrai Zahil Abou Hamid Afan, originaire de la région de Zender, est un jeune artiste rappeur de la nouvelle génération. Il cartonne dans un style de la musique urbaine tel que le trap et le RB. Il a plusieurs fois représenté la région de Zender pour le grand festival international de musique afro urbaine du fleuve Niger. Tana tana ai can baya na sha wuya kama haka zanne zanne ba wuya je ka nemi naka kai ma nace Allah taimaka ke taimaka in kai mu zan guda mu daina hasada bakin ciki nace ai ba kyau mu daina hasada bakin ciki nace ai ba kyau mu daina hasada bakin ciki nace ai ba kyau yawa abu wallahi sai C'était euh, le titre de Asboy. On passe directement au reportage des régions. Et pour ce reportage, nous allons rester à Niamey où, en raison de la récurrence de la criminalité, les actes de violence dans cette ville et dans certaines villes du pays, l'adjoint au procureur de la République, euh, dans un point de presse, attire l'attention de la population sur l'importance de porter secours à son prochain. Cela fait suite à l'interpellation de personnes auteurs d'un viol suivi de meurtre à Niamey et de notre réseau de malfaiteurs de la capitale. Hadiza Malamanzo que je vous propose d'écouter dans des propos recueillis par nos confrères de la télévision nationale. Le cas de la jeune fille est le plus touchant. C'était une jeune mariée, à peine mariée, et elle était chez elle tranquille quand elle a été sauvagement agressée et malheureusement assassinée. Maintenant, c'est avec l'évolution de l'enquête et la perspicacité des enquêteurs qu'on a pu finalement mettre la main sur celui qui utilisait le téléphone de la jeune femme. Ils ont attaqué la bonne femme tout simplement parce qu'ils voulaient la violer. Et finalement, elle a été assassinée. Les malheurs de cette famille n'étant pas finis, le petit frère de la jeune femme a aussi succombé suite au choc qu'elle a reçu après l'annonce du décès de sa grande sœur. C'est que cette femme-là était dans une cour connue. Certes, l'heure à laquelle les faits ont eu lieu c'était vers 13h. C'est un peu calme, mais on était surpris du fait qu'il y avait des voisines et personne n'a entendu ce qui se passe. De la même manière que la jeune femme avec son bébé a été attaquée dans la rue, au vu aussi de tout le monde, et personne n'a pu venir au secours de cette dame-là. Oublions la loi qui dit que la non-assistance à personne en danger est une infraction tant que celui qui va assister n'aimait pas lui-même sa vie automatiquement en danger. Mais nous sommes des musulmans et nous vivons dans une communauté. Nous en appelons à la fibre de solidarité de nos concitoyens. Vous voyez quelqu'un dans une situation, vous ne réagissez pas. Peut-être demain, ça sera vous dans la même situation. Donc, nous appelons à nos concitoyens de faire un effort pour porter assistance ou au moins appeler au secours si vous, vous ne pouvez pas réagir automatiquement. Parce que c'est vraiment aberrant que dans la journée, des gens se font agresser et qu'ils ne trouvent aucun secours. Heureusement, et c'est l'occasion aussi de féliciter une fois de plus la direction de la police judiciaire. Après réception des vidéos et les caméras de surveillance ont filmé, Malgré la qualité quand même des éléments, parce que les visages n'étaient pas facilement euh, reconnaissables, ils ont pu quand même mettre la main sur une bande de neuf personnes qui s'adonnaient à ces genre d'activité et plusieurs motos et téléphones portables ont été pris avec ces gens et ils ont reconnu les faits. De la même manière que pour les assassins, donc euh, ils ont reconnu les faits ce qui est sûr, nous rassurons la population que la justice ne va pas lésiner sur les moyens pour punir tous ces faits qui ont été commis. En outre, il est important d'attirer l'attention de nos concitoyens sur le voisinage. Voyez-vous, dans le cas de cet assassinat, c'est un blanchisseur du quartier et le boutiquier d'à côté. Donc, nous côtoyons des gens sans savoir qui ils sont. Donc, c'est de faire très attention. Et surtout, bien veiller sur la sécurité de son propre foyer et les enfants aussi faire attention qui on envoie et à quelle heure on peut l'envoyer. Parce que parfois nous mettons nous-mêmes nos enfants en danger en les envoyant chez ce genre de personnes. Parce que dès qu'ils profitent d'un moment d'accalmie, ils peuvent faire des actes qui ne sont pas très bons. On a eu plusieurs cas d'actes impudiques sur des enfants qui sont commis par ces genre de tabliers ou bien euh, les blanchisseurs. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Chers auditeurs, si vous venez de nous suivre, c'est l'ère du sport et notre chroniqueur sportif Sariu Adam est avec nous dans ce studio. Bonjour Adam. Bonjour Abiba. Bonjour Adam. Bonjour Ruki. Alors nous débutons cette page sport avec la qualification de U20 du MENA au tournoi IFOAB. Bien sûr, les poulains de l'entraîneur Abdraman Issa ont réussi à battre les guépards du Bénin en fin de rencontre sur un but d'Abdelatif Goumey à la 87e minute de jeu. Résultat du match, un but à zéro en faveur du Niger. Grâce à cette victoire, les U20 du MENA se qualifient en demi-finale de ce tournoi en compagnie du Ghana qui termine premier du groupe A. Nous avons et nous vous proposons d'écouter la réaction de l'entraîneur du MENA U20 au micro de notre correspondant, de notre, au micro autant pour moi de notre confrère de la Voix du Sahel, Monkela Isaka. Ce soir, le Niger vient de se qualifier pour les demi-finales. Il reste encore un match pour nous qualifier pour la Cannes. Je pense que les, gens, les enfants sont à féliciter. Les joueurs ils se sont battus contre euh, une équipe euh, vraiment très forte du Bénin. Mais au bout du match, sur une dernière action, le Niger marque et le Niger se qualifie pour la deuxième phase. On savait que ça allait être un match difficile. On a vu l'équipe du Bénin contre le Ghana et le Togo. Donc on savait que ça allait être très difficile. Maintenant, comment les contenir c'est notre plan de jeu, c'est ce qu'on avait mis en place. D'abord contenir l'adversaire et profiter d'une faille pour marquer. Ça a été le cas ce soir, mais je pense que dans ce groupe, toutes les équipes pouvaient se qualifier. Félicitations au Ghana et au Niger qui passent la deuxième phase. Ce soir, on a montré une détermination, une solidarité qui nous a permis de gagner ce match. Oui, merci à toute la population du Niger. Continuez à prier pour nous. Il reste un match très important en demi-finale. En cas de victoire, le Niger sera à la canne 20. Et Adam, quelle est la situation actuelle de la poule B eh bien, nous allons rappeler que dans cette boule, nous avons la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Burkina Faso. À l'heure actuelle, le Burkina Faso a joué ses deux matchs et compte une victoire contre le Nigeria et une défaite contre la Côte d'Ivoire. Ce soir, le dernier match de ce groupe opposera la Côte d'Ivoire au Nigeria. Pour l'instant, rien n'est joué dans ce groupe. Toutes les équipes peuvent se qualifier. Tout dépendra du sort de ce match déterminant entre le Ghana et déterminant entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Et on verra qui retrouvera le Niger ou le Ghana en demi-finale. Chers auditeurs, c'est l'essentiel du sport de ce matin. À demain pour un autre numéro avec Asumi Grouza. Merci Adam pour ces informations sportives. On passe directement au portrait du jour Habiba. Eh oui, Rekia. Rukaya. Les portraits de ces jeudi nous amènent à la foire consommant local tenue du 3 au 6 octobre dernier au centre de conférence Mahatma Gandhi, à la rencontre de Madame Touré au Sénat, une jeune femme qui lutte contre la consommation de produits chimiques. C'est dans la commercialisation des produits bio que Sénat satisfait ses besoins, son portrait avec Habib Garba. La jeune femme de taille moyenne, âgée d'une trentaine d'années, s'est intéressée au petit commerce de son bas âge. C'est en 2023 qu'elle a eu l'idée d'entreprendre avec sa sœur jumelle avec la création de l'entreprise à bon prix Husseina Hassana, en abrégé Bon Prix OH. Elle nous explique pourquoi elle a fait de la lutte contre les produits chimiques son cheval de bataille. Nous avons euh, jugé utile de faire euh, les produits là parce que euh, moi et ma jumelle, nous sommes des hypertendus. Et puis, on échange avec beaucoup de gens. Les gens souffrent aujourd'hui avec tant de maladies, avec la tension artérielle, le diabète et sort Vraiment d'aider la population parce que beaucoup de gens se demandent comment faire pour laisser les arômes. Après un an d'exercice dans le domaine des produits naturels, la jeune femme se dissatisfaite des résultats. À cette date, elle a mis sur le marché plusieurs produits bio. Ousseina estime que c'est sa contribution dans la lutte contre certaines maladies. Notre euh, contribution, c'est d'aider la population à laisser l'arôme chimique. Nous préparons des épices que la population peut utiliser sans utiliser les arômes chimiques. Le produit phare, c'est le gabou aromatisant. C'est à base des échalotes. En germain, on appelle ça eh, albasankwaro. Oui. Donc, nous avons aussi le yaji. Même le yaji, nous avons le yaji aromatisant. Eh, le piment, nous avons le piment sans arômes chimiques. Nous avons le gabou oignon. Nous avons l'épice portée. En tout cas, nombreux sont les visiteurs des standards de la foire Consommant, locale à 100% Made in Niger, qui ont apprécié l'idée de l'entreprise à bon prix au achat. En compte permis est l'acteur de la société civile Moussa Estaf écoutons Quand on dit euh, un produit naturel, ça veut dire que vous êtes euh, épargné de beaucoup de maladies. Les produits exportés, on ne sait jamais quel mélange les constitue. Des produits chimiques qui composent euh, les, les, les aliments, cela c'est vraiment un avantage qu'il ne faut pas mettre de côté. Et pour cela, nous appelons les uns et les autres qui ont l'intention de faire la même chose, vraiment de ne pas rester à l'écart. Les rêves de la jeune femme, avoir un grand espace pour pratiquer la culture des produits bio afin lutter efficacement contre les maladies liées à la consommation de produits chimiques. Merci Habib Bougarba pour ce portrait. Habiba, nous allons pour notre dernier tour en musique avec le titre Ni Bay Ni de Moussa Poussi. Poussi, les doigts magiques sur le capas. le Poison. Pablo le Hitler le milliardaire. nekumbenekale nibaimaniigalaidinimanabeimadange nibaimaj ce pousser, à présent, nous allons ensemble prêter attentivement nos oreilles à l'équipe femme du studio Kalangu pour écouter leurs sages conseils sur notamment la situation sécuritaire de la ville de Niamey. En effet, de nos jours, il est très risqué d'exposer ses biens, minimes soit-il en public, avec la recrudescence de la criminalité dans la capitale. N'est-ce pas, Salamut Kadri et Tala Tabaha affairage, affairage, affairage, affairage. 5 000, 10 000, il me dit 50 000. c'est bon, ah, ah hum, c'est bon. viva viva bonjour, comment vas-tu Je vais bien, Dieu merci. Et chez toi, ma chère, comment vont les bouts de chou Ils se portent très bien. Mais ma chérie, qu'est-ce qui te prend de compter de l'argent en pleine rue comme ça Tu as gagné au loto ou quoi hum, j'aurais bien aimé que ça soit de l'argent gagné au loto. Au fait, j'ai sortais de la banque et comme la salle était bondée de monde, j'ai préféré faire le compte dehors, loin des regards indiscrets. Tu m'étonnes vraiment. Donc toi, tu trouves est dehors est plus sécurisé qu'à l'intérieur de ta banque. D'où sortit tu cette idée tordue Hé eh, ma chère, mon idée est bien fondée, je t'ai dit. Tu sais, paraît-il que parfois même dans les banques, il y a des bandits infiltrés dans la foule qui viennent pour des opérations bancaires et en même temps espionner ceux qui encaissent des grosses sommes. Hmm, tu veux me dire que... Il y a des personnes qui vont te suivre pour des petites miettes. Bon, supposons que ce que tu as entendu soit vrai. N'empêche qu'à l'intérieur, tu es plus en sécurité. En tout cas, plus que dans la rue. Parce que là, tu t'exposes à des vols à l'arraché. Voilà quoi Ça a l'air grave de... Si je comprends, les voleurs enlèvent les personnes maintenant. Hé, eh, calme-toi. Ne me dis pas que tu n'es pas au courant de toutes ces vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Des caméras de surveillance qui montrent des bandits à moto qui ont menacé une femme à l'arme blanche, puis emporté son sac à main. Mais Niamey est dangereux dès en pleine journée. Gassa. Eh oui, en pleine journée, Wallah. Il faut vraiment que tu fasses attention. Quand tu marches dans la rue, surtout ouvre grand tes yeux analyse bien l'endroit s'il est bien fréquenté, s'il est désert. Si tu as un doute, ne serait-ce qu'un petit doute, rebrousse chemin et trouve-toi un autre chemin. Ah, c'est fini. Je ne compterai plus mon argent sur la voie publique. Désormais, je n'irai nulle part sans mon mari ou mon petit frère. Mike Chinga, tu sais comment ils sont costauds, non Même si Bandi veut nous attaquer, il réfléchira à deux fois avant. Hmm, ce n'est pas une mauvaise idée. Cependant, dis-moi, ce n'est pas partout que tu seras avec tes gardes corps ils ont d'autres choses à faire. Ou bien, ah oui, tu as raison. Donc le mieux est que je fasse euh, attention à moi toute seule. J'ai choisi mes lieux à fréquenter et où mettre mes pieds en faisant très très attention alors. Voilà ma chérie. Tu as tout compris avec l'argent que tu as pris à la banque. Peut-être même que tu peux t'installer euh, un système de vidéosurveillance. Eh, hum. ne ris pas de moi hein. et puis ne profite pas de mon ignorance pour m'insulter des pauvres qu'est-ce que j'en sais De nos jours, on ne sait pas. Hein. Peut-être que ta pécule de contractuel a changé. <laughs> Merci les filles. Aujourd'hui, dans la rubrique euh, culture linguistique euh, du jour, euh, nous avons Mourou avec nous. Elle va nous expliquer le mot voyage. Effectivement, bonjour Habiba et Rukaya. je vais l'expliquer ça en langue fulfulde. Donc, voyage, voyage ni anoko ete voyage et de derama ni kan won jahangal. Jahangal gal do jahangal hanon ɗo ɗuuɗi sanne no woodi jahangal caka leydi e leydi no woodi jahangal caka wuro e wuro no woodi ankay galit jahangal ngal neɗɗo wartata kan wonde jomum maayi wartata kando jahangal no jahangal mangal ngal nonni ɗum waɗi hannde ni min kalan dow filla jahangal nden mon ko andirani himɓe no ummo leñol ma no wuro manere ummo woɓɓe jaha he koyɗe ya humpito bandira e maɓɓe nonni woɓɓe ɗo ummo leydi gon ya fa leydi gon ɗum in the ni coɗol enɗan hakkunde mbi'en leñi na hakkunde himɓe joddiɓe noon ni nden ɗe ƴeewama hande no woodi jahangal iri ɗuɗɗo noon no woodi do jahangal ko sukkaɓe ummatore ummoto wi ano jahan leyɗe tubakoɓe hano europe en ko nandi e mum noon ni ɗum ɗo no woodi fa hankasen hano jahangal ko jomum ummo wuro manere yi ami yeehi jahangal famiyama warta no woodi do jahangal galderi hokkama sukaɓe poytiri hano sukaɓe hokkama poytiri lokkol noon eɓe koƴa sukaɓe mabɓe jarta koreji mabɓe to tawa fuu ɓe jara ɓe jaha jahangal ɓe jara biya ɓe gaɗa han ko ete vacance noni ɗon fuu no hiye jahangal jahangal irmum no ɗuuɗi sanne amma hande nde ƴewama ɗum ɓuytori no andora demmum mamiraɓe noon ni jomum nde no ladde ma no wawa ummi hi'a no yaha waɗa ziyara han koreji mum noon ni yaha wartowa Merci Oumou pour cet éclaircissement. Chers auditeurs et auditrices, si vous avez d'autres mots expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en hausa, en zarma, en en Fulfulde. N'hésitez pas à laisser un mot au 82 89 89 64. Écoutons à présent les messages de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Maggie da mu da ki gabai da cimba makka da dondon kari ballara studio kalangu fa karai irgo gini hangana alwatu kulu irgo ma studio kalangu ga kan da nabare ga kan da bon ferayen alan da ga kan da ki tifon da yi da yan borai sai irgo gini hangan irgo ga mara irgo kan da na fazan irgo ga borai bon feri irgo ga fa kai mu da borai da kyar gamara tontoni aga kan amma sun matakan irgo ga goye ta dawo imagaban da ga irko makamu da sai ngai go amkoi da gina na irman di go ga kayando kadai hankan ga himan da burmun warai dai irko himma tontoni sai igoye mu koy makoi da gina cintine gina dai ga umur mai kalangu kan ga ce wani kaino kan go ta yafo ai ga dibte hare kai kan go sandire ai ga nafo ai ga li chajal koi kan go ne ballar taraku kan ga ce wani chora ai go ga nafo ngan ninga wani almayalai kulu ai ma bi hagar abdullahi kan go ballai yar shato ai ga hangan karanguya karangu sigire wo kan ga kane se sigir kul kan ga ma sanni kai mara gyo fo bon manji kalan gumra ne mara kule wo shaganda ai sai tabbata ni bai mara nan gu fono kale ma hangan sigyo kalunga imne wo hanga dai mara sigyo kalunga ne wo yadda wo no nan ai wo ai fonda ki ga timu fanda no nan ai wo hal ho kan ina da hal ho do futta ge sigida ki bon fere ki futta ge no do wondi ai zai futta ge bon je zai mata ki gi salan sanno salan ni sai da mi hagwajin ga ba fu ni matkita kulu an ga no nan kanai si Voilà, nous sommes à la fin de l'émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Ruket Abdraman et Habiba Ahmed. Les rendez-vous est pour demain avec une autre présentation en Excellente journée.